L'entretien, merci beaucoup de rester avec nous. Notre invité pour ce présent numéro, Gorgui Wad Nui, PDG du continent premier.com, un magazine panafricain basé à Genève, en Suisse, initiateur du concept Le gingembre littéraire. Monsieur Ndoy, bonjour. Bonjour. Alors, actuellement, vous êtes euh, au Sénégal mm. dans le cadre des activités donc, euh, du gingembre littéraire. Parlez-nous un peu d'abord de ce concept. C'est un concept que nous avons lancé le 1er mai passé à Genève, en Suisse à la salle des associations où nous avions commencé à faire une grande discussion autour du retour du patrimoine africain. Et vous savez ce débat entre Macron, euh, qu'il a voulu, confié à Felwin Sarr, à hum, Véronique Savoie, et qui était important. Et la salle était pleine. Nous avons eu le grand penseur sénégalais Suleiman Bachir Diagne, nous avons eu Fatoumata Sissungom, qui est une écrivaine sénégalaise et économiste. Elle travaille à l'OCDE. Nous avons eu aussi l'ambassadeur du Bénin, M. Dr Eloi. Et ce qui était important, c'est qu'il y avait cette demande des Africains, mais en même temps du public européen, à entendre l'Afrique parler d'elle-même. On a fait trois, quatre, cinq... Et c'était magnifique. Et ce sont les Sénégalais, les Africains et d'autres pays qui nous ont écrit pour nous dire ce que vous faites de bien, mais venez le faire au Sénégal. Et donc, il y a une lutte, si vous voulez, entre les villes du Sénégal. Bon, malheureusement, il fallait choisir. On a choisi Rufisque, Dakar et Saint-Louis. Et même à l'intérieur des villes, il y a des institutions, qu'elles soient étatiques, privées ou autres, qui ont voulu que nous fassions les gingembre chez eux. Mhm. Et donc, il a fallu là encore faire un autre arbitrage. D'accord. Alors, vous avez pris l'engagement de délocaliser les gingembre littéraires dans les euh, villes euh, sénégalaises, à savoir, comme vous l'avez dit, hein, Dakar, Rufisque, euh, Saint-Louis. Et on va parler un peu de cette réflexion sur le dialogue des civilisations et la place de l'Afrique dans le 21e siècle. Alors, aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, uh-huh. Euh, quel est le message que vous voulez faire passer à travers ses euh, fils, à travers la jeunesse africaine Voyez-vous qu'aujourd'hui, la Russie a fait appel <laughs> aux Africains, mm. après euh, l'Europe, après la Chine. Ça montre qu'aujourd'hui, que l'Afrique intéresse. Mais l'Afrique n'a jamais cessé d'intéresser le monde mm. depuis les temps de la circumnavigation. Et le monde n'a jamais évolué économiquement, politiquement, culturellement, scientifiquement sans l'Afrique. Ne l'oublions jamais d'abord, nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes le berceau de toutes les civilisations. Mais il fut un moment où notre intelligence a été mise entre parenthèses par les colonisateurs, par les Européens et leurs amis qui ont voulu nous minorer. Mais le monde a évolué. Au lieu toujours de nous dire ça ne va pas, nous nous disons, reprenons l'initiative. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est quand même euh, les réserves mondiales en or, en pétrole, en gaz. Nous qui sommes du Sénégal, nous en savons quelque chose aujourd'hui. Mhm. Ce n'est pas hasard que tous ces chefs d'État viennent courtiser, si je peux m'exprimer ainsi, le Sénégal, pour ne pas dire notre président Macky Sall. Mhm. C'est parce qu'ils ont un intérêt à venir ici. Maintenant, c'est à nous d'accompagner tout ce mouvement, ce nouvel amour que les gens ont envers l'Afrique. Mhm. Et donc, pour cela, on ne peut le faire qu'en faisant revenir la réflexion et d'abord sur nous-mêmes. Pas que les Indiens nous disent, les Africains, les Chinois nous disent, les Africains. Non, il faut que les Africains puissent dialoguer entre eux-mêmes. Mhm. Et vous savez, euh, ce qui m'a beaucoup fait mal il y a des années, ça se réduit, mais ça revient. Il y a une forme de résurgence d'un certain racisme. Mais ce racisme-là a été inscrit dans la littérature occidentale depuis au minimum le 15e siècle. Parce que quand on a voulu dominer les Africains, on a inventé un type d'Africain. Parce que pour dominer quelqu'un d'autre, il fallait dire qu'il était sauvage. Maintenant, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent encore. Ils viennent, ils viennent. Et en même temps, ils disent aux Africains de rester chez eux. Et ça s'accompagne avec quoi Une littérature très dure. Les Africains sont paresseux, les Africains ne travaillent pas assez, mm. les Noirs, ils sont en Europe, ils vendent que de la drogue. Mais tous ces grands intellectuels qui sont dans les laboratoires, qui ont fait ces calculs pour que les fusées puissent monter, ce diamant qu'on a chez nous qui permettent aux femmes occidentales et arabes d'être belles, ça vient d'où En un moment, il faut nous dire, quand même, on ne va pas se battre contre les autres parce que ce temps est dépassé. Mm. Mais de dire que nous avons nos ressources, nous avons notre intelligence, les autres peuvent venir, mais qu'ils respectent quand même et qu'ils achètent <laughs> nos produits à bon prix. Quoi, voilà. Alors souvent, quand euh, ça ne va pas, on a l'habitude de dire que c'est la faute de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, mhm. l'idée quand même, euh, c'est de dire aux Africains, voilà, engagez-vous, prenez le destin de l'Afrique, vous êtes les dignes fils de l'Afrique, mm. c'est à vous de développer le Merci, continent. merci beaucoup. Et M. Ba, vous savez très bien que c'est le petit combat que j'essaie de mener avec des gens aussi comme vous, je vous l'avais dit une fois en Argentine, parce que le fait d'avoir Dakar Actu en Argentine pour couvrir la grande conférence sur le commerce, ça changeait déjà le discours qu'on pouvait donner sur cette euh, grande conférence internationale. Mm-hmm. Nous, au niveau de Genève, au niveau des Nations Unies, moi je suis le seul journaliste ouest-africain accrédité aux Nations Unies. Mm-hmm est le seul Sénégalais depuis 1945. Ça veut dire que le combat, il est large. Et donc, euh, nous comprenons comment ces gens, ils utilisent l'information. Parce que l'information est une arme mhm. qui t'informe, te déforme en même temps. Tout à fait. Et je profite de l'occasion que vous m'offrez pour lancer un appel à nos chefs d'État mm. qu'ils doivent beaucoup plus faire confiance aux médias africains, aux médias locaux leur publicité, leur exclusivité qu'il les donne. Parce que si on arrive d'abord à convaincre son propre pays, c'est plus facile après de parler aux autres. Et moi qui suis à l'étranger, je sais très bien de quoi je parle, parce que j'assiste personnellement à des briefings off des ambassades et je n'ai jamais assisté à un briefing off d'un seul ambassadeur africain. Les Européens, c'est que pourquoi ils continuent à nous dominer parce qu'ils ne peuvent plus nous battre, mais ils utilisent les moyens comme ça. C'est-à-dire, ils font confiance là où nous, nous ne nous, faisons pas, confiance. Et c'est grave. Mm-hmm. Il y a eu des erreurs commises par des diplomates, il faut oser le dire. S'ils avaient posé, amené les journalistes, que ce soit sénégalais, africains ou même européens, pour leur dire voici les grandes questions que nous allions discuter aux Nations Unies mais euh, je ne vais pas cacher un secret en disant que les Américains, moi, m'appellent pour me demander mes avis sur quelque chose et nous dire voici notre position. Les Suisses m'appellent, comme d'autres, pour leur demander, mais je n'ai jamais vu aucun ambassadeur, qu'il soit sénégalais, euh, ivoirien ou autre. Et qu'est-ce que vous voulez Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut aussi que qu'on laisse la jeunesse s'exprimer. Parce que c'est en s'exprimant qu'on peut les encadrer. C'est surtout ça. Mm. Parce que si nous, nous ne faisons pas aussi confiance, j'ai parlé de la presse, mm. à nos ONG, mais les autres ONG occidentales vont faire le même travail que leurs journalistes, que leurs ambassades, et finalement, c'est la pensée occidentale qui continuera à dominer le monde. Et je vous le rappelle, mm-hmm. c'est les idées qui dominent et qui font fonctionner le monde. Et ces idées-là, nous, nous les avons chez nous. C'est pourquoi au gingembre africain, la première fois dans l'histoire que nous avons délocalisé, nous sommes venus ici au Sénégal et tous les intervenants sont des Sénégalais, des hauts cadres et parmi eux des jeunes professeurs d'université qui n'ont même pas 30 ans. Ça veut dire que parlons avec nous-mêmes. Xam wolof day kulaate jay kulaata lakh jay lakh lek benen bi ñu ne waxtaan su naree yaatu tamit doomu ndey yi nañu tok ñu waxtaan seen biir que ce débat là entre nous qui a peut-être existé mais qui a beaucoup manqué il faut qu'on le, le, fasse revenir. Voilà. Mm. Alors, aussi à travers les, les, panels, euh, vous avez misé, en tout cas, euh, côté panéliste, sur des jeunes, que ce soit à, les euh, rencontres de l'IAM, de l'IFISC, à Dakar, Saint-Louis. L'idée également, c'est de faire la promotion des champions nationaux. Absolument. Des championnes et des champions. D'abord les championnes, et avec cette fois-ci, d'abord, une grande dame qui est la marraine. Mm. Pour Saint-Louis et pour l'UFC, c'est Aminata Soufal comme vous le savez, qui est une icône de la littérature sénégalaise et mm-hmm. africaine d'expression française. Mm-hmm. Tata Amitosov, qui nous a fait l'honneur, elle va se déplacer pour venir à elle va nous accompagner à Saint-Louis, mm-hmm. et elle aura autour d'elle Madame Maria Mandoy, qui est rufisquoise et qui est d'ailleurs la conservatrice du musée Senghor. Il y aura Madame Ramatoulaï sek qui est lauréate du prix, de du président de la République pour la littérature, et une jeune écrivaine, professeure, Madame Fatima Tabadiallo, qui est professeure ici à Mermoz. Mhm. Et d'abord, pourquoi les femmes Nous avons commencé par les femmes, parce que la thématique générale, c'est sur le vivre ensemble. Mhm. Nous avons aussi constaté en Afrique que euh, un pays comme le Sénégal, pays de la Teranga, qui est le seul pays au monde, je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps, où il y a la parenté à plaisanterie, on est en train de le perdre. Et nous, nous nous sommes dit, nous revenons chez nous avec les valeurs que vous, Sénégalais, Africains, vous nous aviez inculquées pour que les autres puissent nous aimer et nous considérer. Et dire aux Sénégalais et aux Africains, regardons encore nos cultures. Et c'est pourquoi, dans le cas du vivre ensemble, nous nous sommes dit, les femmes, c'est d'abord la matrice. Vous ne pouvez pas avoir de l'émergence, nous ne pouvons pas avancer et faire avancer nos sociétés si nous ne redonnons pas la parole aux femmes. Vous vous rappelez un peu du rôle magistral joué par la grande royale dans le livre Aventure ambiguë de Ça veut dire que les femmes, si on les écoute, si on leur redonne leur place dans notre société, ça va beaucoup permettre à stabiliser nos sociétés. Et s'il y a la stabilité, l'émergence que nous appelons de tous nos voeux va se réaliser, Inch'Allah. Et donc, le début. Ensuite, nous allons migrer vers le nord, celui du Sénégal. Et je rappelle, en passant, monsieur le rédacteur en chef, si vous le permettez, que Rufisque était la capitale de l'Afrique française jusqu'en 1935. Et euh, où il y avait eu Abdoulaye Sadji, Ousmane Sosé Diop. Sadji est le seul écrivain, en tout cas sénégalais, à avoir coécrit un livre avec Léopold Sédar Senghor. Ousmane Sosé, il était magnifique, c'est lui qui a écrit Karim, que vous connaissez. Mm. Et sans lui, là où j'ai fait quand même mes études, et je dois beaucoup à l'université Gaston Berger, où j'ai eu mon DEUG, la licence et la maîtrise. C'était difficile là-bas auparavant, mais c'était l'université d'excellence. Et nous venons rendre au Sénégal aussi ce que ce pays nous a donné de manière merveilleuse. C'est pourquoi nous retournons à Gaston Berger. Et là-bas, nous allons poser un débat intéressant, c'est-à-dire culture et citoyenneté numérique. Vous vous rappelez des questions sur les insultes sur Facebook et autres. Mais la question est de savoir comment peut-on nous exprimer, être libre en respectant notre manière d'être, en respectant nos cultures. Parce que, euh, je vais le dire en Wolof, NIT, nous avons une culture africaine très riche revenons à cette culture-là nous pouvons parler aux autres nous pouvons nous exprimer sans pour autant faire du mal c'est ça le plus important et autour de ce panel nous aurons notre grand frère Adama Sow qui est aujourd'hui l'auteur de Sen Café que tous les Sénégalais lisent de partout dans le monde. Nous aurons le professeur Missan Ngom, professeur de sciences juridiques et qui est le directeur du département, qui nous a fait cet honneur. Un autre professeur de l'UFR cac c'est M. Mamadou Djouma Diallo. Nous aurons aussi un jeune, Charles Sanchez, qui est un grand activiste et euh, un gars très, un jeune très engagé pour la lutte pour les droits humains il était auparavant à l'article 19. Nous aurons aussi euh, Tata Amintoso, parce que c'est la marraine, elle tenait à être là. Et euh, je pense que avant, nous aurons Amadou Tidjansi, que vous mhm. connaissez, qui est le directeur de euh, l'école EGICOM. Mhm. Voilà. Donc, ce débat risque d'être énormément intéressant. Et vous me permettrez de remercier toute la ville de Saint-Louis le comité de Saint-Louis, comme le comité de Dakar, comme le comité de Rufisque, se sont mobilisés. Et à Gaston Berger, c'est le directeur de la bibliothèque, M. Charles Sissé, qui coordonne. Et le point fécal, c'est Bité, un autre jeune. <laughs> vous voyez, Aboubakar Bité. Et ils ont travaillé, j'ai dit, vous avez toute l'autonomie de faire votre travail. Ces cadres-là du Sénégal, qui font ce travail gratuitement, le recteur Tiaré les a soutenus. J'ai entendu que tous les fils et filles de Saint-Louis se sont mobilisés avec le comité pour accueillir <laughs> ce, ce gingembre. Et ce sont les Sénégalais, je l'ai dit, qui ont mis leur argent. Et ça, je le signale. Tout l'argent qui sera dépensé, c'est l'argent des Sénégalais. Et nous ne payons personne. Les panélistes nous ont fait ça gratis parce qu'ils ont dit vous menez un combat et nous devons vous accompagner. C'est ce que Dakar Actu est en train de faire aujourd'hui. Et je mm-hmm. remercie mon ami, votre patron, je dirais même pas patron, mais votre ami aussi. Mm-hmm. Parce que ça être patron, il faut être l'ami de son personnel, M. Serine Gagne. Et ensuite, nous irons à l'IAM. Le matin du 13 novembre, nous revenons à Dakar et à l'IAM, nous ferons sur le vivre ensemble l'ouverture philosophique, culturelle et historique. Mm. Avec euh, la professeure Pendambaou, nous aurons un jeune professeur Hadiba, professeur de philosophie à l'Université de Dakar. Nous aurons un, euh, expert de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui s'occupe de portfolio, M. Al-Amin Kébé aussi qui est très versé sur le savoir mystique. et les tijane, donc mhm. c'est le frère d'ailleurs Abdelaziz Kabé qui s'occupe du pèlerinage, c'est la grande ah. famille mhm. et de, liée à Tiwawan. Nous aurons, en parlant de Tiwawan, euh, Monsieur Dr Cheikh qui est à Enda, et lui qui est très du côté de, de Touba, mais qui est dans le cadre euh, de, euh, de l'islam ici à, à Dakar au Sénégal. Mais en même temps, nous aurons notre ami euh, Tidiane euh, Momodou hein, euh, qui est le conseiller culturel du président de la République, qui est un grand ami à nous, qui se joint aussi au panel. Et ensuite, l'après-midi, nous ferons un panel exceptionnel. Hmm. Exceptionnel sur le patriotisme économique. Et là, nous aurons quelqu'un que vous connaissez déjà auparavant, M. Dr Abdourahman Diouf, qui est aujourd'hui le président du CIS, c'est euh, le, le, le, le, club des investisseurs du sénégalais. Nous aurons un autre jeune, docteur Bamba, Hadim Bamba Diagne, un jeune pertinent comme Hadiba. Et ensuite, nous aurons le directeur général du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, docteur aussi Momo Ndion, et enfin un jeune aussi, Eliman Khan, qui est de l'IT Africa, que vous connaissez aussi. Voilà, j'ai tenu quand même à citer toutes ces personnalités. Qui vous accompagnent. Qui nous accompagnent. dans la réflexion. Mm. Et il y a, euh, nous avons fait aussi des notes conceptuelles parmi ces gens qui ont écrit, il y a le docteur Ibrahim Guissé euh, qui, était à Gaston Berger, mais qui est aujourd'hui professeur en Suisse. Et euh, il y a Mamadou Dramé, qui va, le professeur Mamadou Dramé, qui va lui modérer le débat que nous aurons à Rufisque. Et auparavant, pour le débat que nous aurons à l'IAM, l'Institut africain de management à Mermoz. Nous aurons Djibi qui va donc modérer ce débats aussi. Voilà. Alors, la thématique du vivre ensemble est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, la notion du respect, quand même, euh, mm. tend à se perdre. Absolument. Il faut le respect mm-hmm. de la différence, il faut le respect, quand même, des aînés, le respect de l'autre aussi. Absolument. quand même arriver à, vivre euh, dans, un, bon climat. Absolument. Mm. Et ça, vous savez, et moi, j'interpelle souvent les Africains, surtout les Sénégalais on dit souvent euh, hmm. que l'enfant doit respecter les aînés. Hmm. C'est vrai. C'est très ancré dans notre civilisation. Et tant mieux. Hmm. Parce que dans certaines civilisations, les vieux, ils vieillissent, on les met dans les maisons de retraite, ils meurent tous seuls. Tout à C'est pas le cas chez nous. Chez nous, les vieux, ils sont euh, euh, choyés et ils ils rajeunissent avec cela. Mhm. Et ils le méritent parce que c'est eux qui donnent leurs dépenses. Et d'habitude, la maison où nous habitons, ça appartient à ces. Par contre, ce que beaucoup d'Africains oublient, et des Sénégalais, c'est que, en même temps que notre civilisation nous dit Khalem wek mak, mhm. donc vous voyez, il y a une dialectique mhm. dans la culture africaine. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Autant les aînés doivent être respectés, autant ils doivent respecter les plus jeunes, les enfants, les filles, les garçons. Ce pas des objets. Et moi, je le dis souvent, les enfants, ce n'est pas que des objets que nous avons mis au monde. Nous avons des devoirs envers eux. Eux aussi, ils ont des devoirs envers leurs parents. Et ça, c'est le Coran qui les redit, parce que comme nous sommes un pays à 95% de, musulmans, mm. et on nous dit même dans un des hadiths du prophète Mohammed que le paradis est sous les pieds de la maman, mm. pour dire que les mères, les femmes, le respect que nous devons leur apporter. Et vous avez raison, et ça, je le constate à regret, je le constate à regret mm. dans ce pays il y a une forme de violence chez les gens que je n'ai jamais compris aujourd'hui. Pourquoi dans ce Sénégal, quand même vous voulez conseiller quelqu'un, il le prend mal et il vous le montre tout de Qu'est-ce qui se passe Revenons un peu à nous. On peut s'exprimer sans être agressif. Non violent. Ce n'est pas parce qu'on est violent mm. qu'on est respecté ou qu'on est aimé, mm. mais c'est par rapport aux idées. Nos parents se retrouvaient sous l'arbre à discuter des questions très difficiles. Mhm. Les femmes aussi avaient un rôle magnifique. Vous savez l'expression je vais discuter avec mon oreiller. Ça veut dire juste que je vais demander l'avis de ma femme avant de venir. C'est ça. Ne l'oublions pas, beaucoup ne le savent pas, mais c'est ça la vérité historiquement mhm. parlant. Mhm. Et aussi que les gouvernants, parce que on ne peut pas parler de ces choses sans revenir aussi aux responsabilités de ceux qui nous dirigent. Qu'ils n'oublient jamais qu'ils ont des référents sur lesquels se baser pour construire la paix. La paix dont ils font vœu tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs des modèles. Les modèles que nous avons sont parfaits. Il faut ressortir les choses des tiroirs. Mm et vous allez voir. Et nous, cette réflexion que nous allons faire chez nous ici, dans cette belle République du Sénégal, c'est d'amener les gens à se retrouver eux-mêmes. Et ensuite, pour ne pas dire que parler, parler, nous allons cette fois-ci sortir les actes du gingembre du Sénégal. Et ça, nous nous sommes engagés. Si on a les moyens, on fera même un livre. Si on n'a pas trop de moyens, parce que je le rappelle, ce gingembre du Sénégal est financé par des fils de ce pays, et des filles de ce pays. Mhm. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Gorky Wadendoy. Aujourd'hui, c'est Dakar, puisque c'est un oui. et également d'autres villes du Sénégal pourront espérer recevoir un jour. Il y, a, notre grand frère euh, Seydi Gassama de Amnesty International et le grand frère Tambadou qui font du lobbying depuis deux ans pour aussi qu'on le fasse au sud du Sénégal. L'année prochaine, ce qui est la Casamance, la grande région de Casamance aura son gingembre. Le reste, on négocie. Mais en même temps, la France veut aussi son gingembre. Entre Paris et Lyon, ils se battent. Finalement, ça s'internationalise et c'est l'occasion de vous remercier encore une fois. Je ne cesserai jamais de remercier la presse sénégalaise qui a compris les enjeux, surtout notamment vous, pour l'amabilité, le respect, l'ouverture d'esprit. Et il faut le souligner. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Et merci également pour ce t-shirt. Merci euh, beaucoup. Voilà, l'intervenant qui recevait Igor Guéwadenoy, je le rappelle, c'est le PDG du continent premier.com, un magazine panafricain basé à Genève, en Suisse, qui nous parlait un peu de ses activités dans le cadre du gingembre littéraire dans les villes de Rifis, Dakar et saint Merci d'avoir suivi. À très bientôt sur Dakar.